Je prends le E pour écrire avec le sourire. Le C pour compter sur mes doigts sans tricher. Je prends le O d'oublier. Ça peut arriver, je prends le L des leçons après la récréation. On vous laisse le E pour écouter notre chanson. c'est le crayon pour... Les internautes euh, sur Safina TV, les auditeurs sur la 98.2, euh, nous poursuivons notre euh, émission Safi Éducation. nous sommes dans l'Institut El Futututal Fututal où nous sommes dans le préscolaire. nous venons de quitter la classe de Madame Diallo où elle nous a tenu une très belle classe avec le préscolaire. Voilà, la petite section. Euh, tout de suite, nous allons aller voir maîtresse Kiné. Elle aussi, elle va nous tenir sa classe euh, sur Samba. Bonjour les élèves. Bonjour maîtresse Kiné. Merci, bonjour à vous. Nous sommes un peu en train de déranger parce que c'est l'heure de la récréation. Mais nous n'allons pas, nous pas prendre beaucoup de temps, Inch'Allah. Maîtresse Kiné, bonjour. Voilà, nous sommes à la petite section, la moyenne section, voilà, avec maîtresse kiné. Donc nous allons vous donner, vous allez dérouler, vous dérouler la classe. Nous nous cette année, On va dérouler une activité, une leçon d'activité de perceptive motricité. Mhm. Allez, les enfants, ouvrez la bouche. Montrez-moi les mains. Montrez-moi les poches. Très bien les enfants. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Les enfants, qui peut me rappeler ce que nous avons appris la fois passée en perspective électricité? On s'assoit, on s'assoit. La fois passée, nous avons appris lourd et lourd et léger. Lourd et léger. Lourd, moi, là, moi, lourd. Très bien les enfants. Léger. Léger, moi, lourd légèrement et le Très bien. Vous pouvez me donner des exemples. Qu'est-ce qui est lourd Le bureau. Le bureau, très bien. Le bureau de maîtresse est lourd. Le bureau de maîtresse est lourd. Et quoi encore L'armoire, très bien. L'armoire est... la voiture aussi est lourde. La moto ici est lourde. Très bien. Et maintenant, qu'est-ce qui est léger Montrez-moi dans la classe des objets qui sont légers. Les feuilles, très bien. La feuille est La feuille est légère. La feuille est Très bien. Le drapeau aussi est Et quoi encore Qu'est-ce qui est encore léger Le crayon est léger, oui. Le crayon est léger. Très bien, les enfants. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui est léger le tableau est lourd, très bien. Maintenant, aujourd'hui, les enfants, on va apprendre une autre activité. Une autre leçon, très bien. On va apprendre aujourd'hui une autre leçon. Les enfants, ça, qu'est-ce que c'est Une tasse, très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la tasse C'est deux, C'est deux du Très bien les enfants. C'est de l'eau. Mais comment est l'eau L'eau est l'eau est salée dafa dafa D'accord? dafa D'accord? xorom dafa D'accord? très bien maintenant ici regardez goûtez buvez ici, comment est l'eau mmh. L'eau est L'eau e? est L'eau ndox mi lan la def dafa bii dafa saf xol lan la saf bii lan la saf bii moo saf xorom ngeen ne bii moo saf xorom bii lan la def dafa saf dafa saf très bien l'eau est sucrée sucrée très bien aujourd'hui on va apprendre les enfants les deux notions sucré, salé. Répète, sucré. Sucré, salé. Répète, sucré. Répète, sucré. Sucré. Répète. Sucré. Répète. Répète. Sucré. Répète. Répète, Ndeye Marie. Sucré. Sucré mooy moi, mooy lu savent. sucré ils le savent. Sucre. sucré moi, ils le Sucre. sucré moi, ils le savent. Sucre, sucre. Très bien. Maintenant, ça c'est salé. Salé savent. Moi, saf. le savent. saf Moi, il le saf xorom. Répétez salé. Répète salé. Répète. Répète. Répète. Répète. Répète. Salé. Salé le savent. Moi, Moi le saf xorom. Très bien les enfants, on va apprendre les deux notions aujourd'hui. Sucré, salé. Répétez, sucré, salé. Sucré, salé. Encore. Sucré, salé. Encore. Sucré, salé. Regardez, vous goûtez, goûtez-moi les chips. Vous allez vous dire comment est le chips. Ok? Comment est le chips. Est-ce que le sucre, est salé ou bien c'est sucré Vous allez me dire. Comment est le chips Le chips est Le chips est Le chips est salé. Très bien, le chips est salé, salé, c'est salé. La saf La saf Chips bi Très bien. qu'est-ce que c'est Ce sont des, des biscuits, très bien, des biscuits. Vous allez goûter, goûte. Vous allez me dire comment est le biscuit. Goûte. Mhm. Très bien les enfants. Comment est le biscuit Le biscuit est et le biscuit est sucré. Répétez. Sucré. Le biscuit est sucré. Sucré. La façade' La saf. La saf Sucre. La Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est C'est du Du jus. Vous allez me dire comment est le jus <laughs> Goûtez un peu le jus Le jus, est bon. Bon, est-ce qu'il est sucré Le jus est sucré ou bien c'est salé Le jus est sucré. Le jus est sucré. Répétez. Sucré. Le jus est sucré. Répétez. Le jus est sucré. Sucré. Encore. Sucré. Sucré. D'accord, ça? Le jus est sucré sucré moi, dafa saf la dafa saf dafa saf sucre. très bien il y a aussi le pain ça c'est du du pain pain est le pain Le pain est salé. Très bien. Tapez les mains pour cartes Le pain est salé. Le pain est salé. Le pain est Très bien, les enfants. Et ici, regardez. Vous allez me dire ça. Qu'est-ce que c'est Et dans la bouche. Tiens. Ça, qu'est-ce que c'est C'est du Très bien, c'est du sel. Répétez, le sel. Le sel. Le sel. c'est du sel. Le sel. Le sel est salé. Très bien, Bokar. Le sel est salé. Le sel est salé. C'est du sucre. Le sucre, on dit le sucre le sucre. Le sucre. Comment est le sucre Le sucre est Le sucre est Le sucre est sucré. Sucré, répétez. Encore. Sucré. Sucré. Salé. Salé. Salé. Très bien les enfants. Maintenant, vous allez me donner des exemples. Des exemples. Donnez-moi des exemples. qu'est-ce qui est sucré, qu'est-ce qui est salé hmm? Le sel, le sel est salé, très bien. Et quoi encore Quoi encore Donnez-moi des exemples. Le sucre, le sucre est sucré, très bien. Quoi encore ban lekk ngeen di lekk mu saf suukar wala mu saf xorom hmm? le chips quoi encore le jus très bien le jus est sucré le chips est salé quoi encore le pain quoi encore le bonbon Le bonbon est Salé. le bonbon est salé le bonbon est sucré le bonbon est sucré quoi encore et les jus, les fruits, les fruits. les fruits, les frissons sucrés. Le, la banane est sucrée banane bi fay saf banane bi fay saf. banane bi day def saf la banane est sucrée Andai Marie la banane est. sucrée la banane est sucrée la banane est sucrée et le riz au poisson saf très bien le riz au poisson est salé le riz au poisson est salé salé très bien les enfants et quoi encore qu'est-ce qui est encore sucré Là, nous avons le jus le jus le jus est sucré et quoi encore hmm? L'orange, très bien, car L'orange est sucré. L'orange est sucré. Assis-toi, oui, assis-toi. Tu vas boire ça après. Donc aujourd'hui, les enfants, nous avons appris les deux notions sucré, salé. Répétez. Sucré, salé. Encore. Sucré, salé. Encore. Sucré, salé. Salé, moi, il moi, le saf salé moins le saf, comme le pain, le riz au poisson, très bien. ils sont salés, le, riz, est salé, très bien les enfants. Et sucré, sucré moins le saf, sucré moins le saf, sucre, comme la banane, la pomme, l'orange. Les jus sont sucrés. Très bien les enfants. Maintenant, tapez les mains pour vous. Très bien, allez debout vous avez dessiné un bonhomme. Très bien. Très bien, Mohamed. Les autres, vous retournez à votre place. Retournez à votre place. Venez vous asseoir. Et Abdou Aziz a dessiné un bonhomme. C'est bien. C'est bien, Abdou Aziz. C'est bien. Maintenant, rangez. Rangez. Donnez-moi les crayons et les fouets. Allez vous asseoir. on s'assoit. Donnez-moi les crayons et les feuilles. Hadimane, donne-moi. Donne. lève-toi, tu retournes à ta place. Philippe, donne-moi la règle. Merci. Répétez. Ce sont les 26 lettres de Allez chanter ça. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Très bien les enfants. Et ici, qu'est-ce que nous avons Nous avons le... Encore Le, point. Et là, nous avons le... Le trait vertical. Encore Encore Là, nous avons le trait. Le trait. Et là, nous avons le trait. Le trait. Et là, c'est la... La ligne et ici nous avons le le demi-rond à gauche, le demi-rond à, droite. Très bien. Ici, nous avons le, le, encore, Les, ici les, les boucles à l'envers, les boucles à l'endroit. Et ici, nous avons là la canne. Et ici la canne. La canne renversée. Ici nous avons les. Encore. Les ponts. Les ponts à. Les ponts à. Et ici les ponts à. Les ponts à l'envers. Là nous avons les. Encore. Et ici le. Encore le crochet. Le crochet. Ici, nous avons les... Encore les chiffres. Très bien. Et là, nous avons les... Encore les voyelles. Ici, c'est la voyelle. La voyelle. La voyelle. La voyelle. La voyelle. La voyelle. La voyelle. La voyelle. Très bien. Ici, nous avons les... Très bien. Très bien, les enfants. Maintenant, on va chanter. Allez, une, deux, trois, si tu veux être propre. Si tu veux être propre, il faut bien te laver, te laver les mains, la bouche et les oreilles, te laver les front, le nez. Très bien, allez, une, deux, trois, enfants du monde. bien. Allez, une, deux, trois. Je vais à l'école. Je vais à l'école. Croyez ma parole. Je sais ma leçon. J'aime bien ma classe. C'est toujours le cours. La semaine passe. On dit bien. Allez, une, deux, trois. À l'école maternelle. À l'école maternelle. Formons. je n'ai jamais vu un homme résolu comme ce petit bossu, comme ce petit bossu. Très bien, allez, une, deux, trois, bientôt Noël. Noël, la fête des enfants de

ngay bëgg métier bi c'est une vocation mu neex la ci sa biir xol nga bëgg xale yi mën leen toppatoo jox leen lépp ci yow daal. Mhm, mhm. donc euh, il faut daal am nit mën a mel. waaw waaw parce que il n'est pas donné à tout un chacun. non non non parce que ku nekk xam na ne xale yi. Mhm, euh, ku nekk say kii nga yor. say caprice ngay yor. Mm-hmm. loolu yëpp da nga koy gérer. te loolu yëpp da nga koy mm-hmm. da nga koy sóoraale. da nga koy sóoraale di euh, ko gérer ci loolu parfois nga gis euh, élève boo xamante ne euh, le comportement n' est pas le comportement idéal. Mm-hmm. kooku est ce que daf leen di arrivé ngeen woo parent bi ngeen wax ak moom ci nii wala ci nii wala ci naa. man bu dee man du ma woo sax parent bi man dama lay éduquer dinaa la éduquer bi année bi nga nekk ci man yëpp dinaa changer jikko boobu. donc il faut beaucoup de pédagogie pour mhm, ça. éducatrice. et aussi il faut de l'expérience mhm, aussi. Mhm, il y a de l'expérience aussi. parce que ku ne que les enfants ne sont lu yomb. non non te ko satisfaction bi ñu am ci classe bu maîtresse Diallo. même satisfaction la ñu am ñu vraiment. Euh, les choses se font avec passion ce qui fait que dafay neex. macha en tout cas ñu kontaan loolu ci dalal gi ñu dalal fii ñëw vraiment c'est pas chose évident parce que ñu bari bëgguñu ay caméra ak ñoom rajo ak ñoom seen mais vraiment ngeen gunge ñu ci jàppale ñu ci alhamdulilah rabbil alamin di leen ñaanal euh, li ngeen bëgg yàlla teg ci loxo ngeen am ndam ci xale yi tamit incha allahu taala en tout cas merci beaucoup kontaan nañu bu baax maîtresse Kiné merci madame Gangue merci beaucoup incha allah waaw noonu la euh, ba tey ñu wéyandi rek euh, ñu dese benn classe boo xamante ne mooy la grande section ak maîtresse Awa moom la ñuy tëjee ñoom tam ñu xool euh, lan lan ñuy jëlee ci classe am incha allahu taala.